18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique de la vente du carburant frauduleux ou frélaté et la prolifération des stations en service à Niamey. Dans, la première partie de ce forum, on va essayer de voir les causes réelles, les caractéristiques et les conséquences de la vente et le stockage euh, du carburant fraudulé ou frélaté. Puis dans la deuxième partie, euh, nous parlerons, nous parlerons sur la prolifération des stations d'essence à Niamey. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, on va essayer d'échanger ou de réfléchir sur les solutions à envisager pour prévenir les dangers qui peuvent survenir par cette activité. Avec nous ce soir pour développer ce thème, El Hajj Mustafa Kadi, acteur de la société civile, président du collectif des organisations pour la défense du droit à l'énergie El Haji Mustafa Kadi, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également euh, le lieutenant Omar Hamani du groupement national des sapeurs-pompiers. Lieutenant Omar Hamani, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi dans ce studio euh, M. Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, 5 Taxi. Mamadou, bonsoir. Bonsoir à vous. Avant de vous donner la parole, écoutons d'abord l'analyse du socio-anthropologue Dr Sani Yahya Jajuna sur les causes et les conséquences de la vente du carburant fraudulé ou frélaté. On l'écoute. Le commerce du carburant frélaté se justifie par le fait que les gens, euh, au regard de la conjoncture qui caractérise le tissu économique, font euh, l'objet d'une certaine forme d'insuffisance du moyen leur permettant à assurer leur euh, transport. Ce qui fait que les gens vont se rabattre sur quelque chose de beaucoup plus simple malgré les risques qu'ils encourent. Face à des difficultés, les humains toujours proposent des solutions qui les arrangent. Au vu de la cherté du carburant, à 540 francs par exemple le litre pour l'essence, qui est vendu dans les stations-service, il n'est pas étonnant que les gens, lorsqu'ils trouvent un peu moins cher, à 400 francs, 450 ou encore un peu moins 500, euh, par exemple le franc le carburant, le litre, il va sans dire que dans ce genre de situation, les gens vont se rabattre sur euh, ce carburant. C'est en fait à partir de ce genre de situation que les gens sont obligés de développer ces stratégies. L'autre raison, c'est surtout celle qu'on constate au vu de la grande superficie qu'on enregistre dans la ville de Niamey. Niamey fait environ 40 km de long en large, d'est en ouest, du sud au nord, au point où euh, les gens font face à ce problème de, de transport. Et pour joindre les deux bouts, le salaire ne suffisant pas seul, donc les gens sont obligés de développer ces stratégies elles-mêmes et c'est la raison pour laquelle les gens se rabattent sur le carburant frélaté et malgré les risques qu'ils encourent. Alors, vous parlez d'une différence souvent de 40 francs. Euh, est-ce que cette différence euh, peut justifier euh, l'achat de, ce type de, carburant C'est véritablement justifiable. On économise beaucoup. Parce que lorsque vous prenez 20 litres, ça vous fera 40 francs fois 20. Et lorsque vous le prenez presque chaque jour ou deux à trois fois dans la semaine, quand vous prenez un euh, par exemple, ceux qui le consomment par jour, et lorsque, même si c'est 10 francs, c'est énorme, c'est beaucoup pour lui en termes d'économie. C'est pourquoi les gens se rabattent sur cette situation. Et d'ailleurs, l'autre raison, entre autres, hein, la troisième, c'est le fait que le, euh, le prix de la course de taxi reste encore faible et 200 francs, alors que les besoins euh, en termes de carburant, les coûts sont très élevés et les distances beaucoup plus importantes, ce qui fait que si tant est que ça va continuer à rester à 200 francs, je ne suis pas pour hein, qu'on augmente, mais si tant est que ces 200 francs, les gens seront obligés de se rabattre sur d'autres stratégies, notamment euh, celle qui va consister à euh, chercher du carburant relaté à un moindre coût pour en tout cas permettre au taximan d'avoir sa paye journalière. Il y a un sérieux risque que tout utilisateur d'engin peut reconnaître. Quand vous utilisez ce carburant, effectivement, vous ignorez son origine. Parce que là, il n'est pas estampillé par une station-service, par euh, sans doute euh, une structure agréée, dont l'origine reste en fait douteuse. Il on sent ça au niveau du moteur. Et les injecteurs des moteurs euh, de nos jours prennent un véritable coup en vérité, si on essaie de calculer, on ne gagne pas grand-chose dedans. Parce que l'essence prélatée, est lourde. C'est une essence très lourde. Non seulement lourde, au point où effectivement on sent que euh, plus tard, on est obligé de changer les injecteurs. Or, les injecteurs coûtent très cher. Tout calcul fait, on se rend compte qu'en réalité, on est en train de parler plutôt que de gagner. Retour à présent dans ce studio du studio Kalangou euh, pour donner la parole euh, à El Haj Mustafa Kadi. Monsieur le Président, euh, votre structure, le Kodaye a, dans le cadre d'une caravane, sillonné toutes les huit régions du Niger pour une campagne de sensibilisation sur le danger lié à la vente du carburant frauduleux. Avant euh, d'aborder les conséquences, dites-nous euh, pourquoi votre caravane, pourquoi euh, le pourquoi de votre caravane et quel a été l'impact de votre caravane, de votre caravane de sensibilisation, Elhaji Mustafa Kadi. merci, Monsieur Mokhtar, et merci aussi à la radio Kalangou qui nous a associés à ce débat du jour vous avez bien indiqué que notre organisation a sillonné euh, le territoire national dans le cadre d'une sensibilisation à l'effet de rendre sensibles les Nigériens quant à l'utilisation à l'époque, là je vous parle de 2008, du carburant, ou si vous voulez, je préfère des hydrocarbures fraudés. si vous vous rappelez, en 2008, Maradi a connu un incendie très grave. Et justement, suite à cet incendie, nous avions perdu des frères. Et donc, euh, le CODAE ne pouvons pas rester indifférent. Je, rappelle que c'est 250 personnes qui ont été blessées, dont 27 grièvement. pour ne pas vous couper, allez-y. Merci pour ce rappel. Et donc, euh, pour ne pas rester indifférent, euh, parce que quoi qu'on dise, euh, c'est des Nigériens que nous avions perdus. Il y avait eu des morts. Et l'un des réflexes que nous avions retenus, c'est d'abord d'aller vers les consommateurs. Ouvrir le débat avec les consommateurs. C'est vrai, j'ai suivi tout à l'heure M. Jean Jouna développer un certain nombre de motivations. Il y a plusieurs raisons il y a des responsabilités. Euh, il y a la volonté politique, entre autres. Et donc, pour revenir au sujet, ou du moins à votre question, nous avions convenu à l'époque euh, de développer un certain nombre d'actions au niveau des services douaniers. Parce que la douane a une grande responsabilité sur euh, la fraude, notamment sur les hydrocarbures fraudés et même frelatés si vous voulez. Et je, reconnais encore les impacts et les effets induits. les résultats enregistrés. Parce que juste après, le gouvernement avait reconnu la noblesse de l'action et il avait engagé un certain nombre de réductions du prix des hydrocarbures. vous parlez, que de 2008 hein. Oui, je parle de 2008. C'était une des raisons. Justement, euh, parallèlement, il y avait aussi la mobilisation de la société civile. Donc à l'époque, nous sommes retrouvés sur une table de négociation. nous avions justifié les raisons pour lesquelles, pour nous, cette revendication était légitime et que le gouvernement avait l'obligation de diminuer à l'époque le prix du litre à la pompe. Heureusement, euh, l'attente des Nigériens était entendue et nous avions tous euh, par la suite constater euh, les prix euh, affichés à la pompe au niveau des stations. Maintenant, je crois que c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Tantôt on le dit. Parce qu'entre 2008 et 2017, il y a des points sur lesquels nous pouvons euh, reconnaître qu'aujourd'hui, certainement que les raisons ne sont pas les mêmes, puisque à l'époque, le Niger n'était pas producteur de pétrole. On va revenir vers vous, Al-Haji. Le temps d'aller vers euh, Gamache, euh, Yansambou Mahmadou. Euh, vous êtes le secrétaire général de 5 Taxi. D'où vient ce carburant fraudulé ou frélaté merci Monsieur Mokhtar, un bonsoir à tous vos auditeurs au passage. le sens diffraudé et euh, pour euh, en tout cas euh, souvent on peut dire que ça vient des pays voisins, le Nigeria. Et il y a aussi une autre manière de faire la fraude qui est là. Depuis, que nous avons en tout cas eu le, le, le pétrole nigérien, il y a encore une, une, une, autre méthode de fraude qui se fait avec notre propre carburant euh, sorti de Soraz. Ah bon Donc là, oui, la pratique, c'est que euh, il y a des gens avec la complicité euh, sûrement euh, des hauts placés ou des, gens qui sont, en tout cas, euh, qui ont cette manne en, main. Je parle du ministère du pétrole. vous, avez, vous avez des preuves Oui, on a de, beaucoup de preuves. On avait dénoncé qu'il y a eu des réversements Des gens qui vont à la Soraz, qui prennent des citernes. comme s'ils allaient sortir avec ce carburant au-delà de nos frontières et qui les réversent en tout cas dans nos, euh, sur le marché nigérien, c'est ce que vous voyez, en tout cas 50 euh, ou 60% du carburant que nous sommes en train de consommer euh, à l'intérieur sur, le marché noir, 50 à 60% c'est du carburant Mad in Niger, du carburant sorti de la Soras. Donc c'est une mafia qui est autour de cette affaire. C'est pourquoi d'ailleurs l'État du Niger, à travers ce gouvernement, n'a pas daigné combattre cette fraude. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas parler de fraude. Moi, ce qui m'étonne, qu'on ne peut pas parler de fraude au Niger lorsque nous avons eu du pétrole. On peut parler de fraude. alors, on, peut parler, je peux accepter qu'on nous dise qu'il y ait euh, fraude du carburant au moment où nous n'avons pas ce carburant. Mais du moment où nous avons notre propre carburant, depuis le 28 novembre 2011, je pense que cette fraude, s'il y a la volonté politique ou s'il n'y a pas un goût sur roche, elle doit automatiquement s'arrêter parce qu'au moment où nous n'avons pas le, le pétrole, on a vu que le gouvernement faisait de la lutte du carburant fraudé un cheval de bataille. Nous avons vu même au moment où la SONIDEP elle-même donnait en tout cas des, moyens matériels et financiers à la, en euh, appui aux douaniers pour lutter contre cette fraude. Alors, qui achète euh, ces carburants dits euh, frauduleux ou Mais c'est les citoyens nigériens qui trouvent, en tout cas, euh, en cette, le carburant de, la roue moins cher, parce que souvent c'est à 250 à 200. Où ça À Niamey À Zender, à Zender, à Maradi, à l'intérieur du pays, le litre d'essence dans la rue ou bien sur le, marché noir, c'est à 250 francs, 225 francs. Si c'est trop cher, c'est à 300 francs. Alors que est-ce, est-ce que la qualité est partout la même La qualité Non, l'essence qui sort de la Soraz, c'est la même qualité que l'essence qui est dans, les stations. Mais les, les, qui viennent du Nigeria, souvent, bon, euh, les conditions dans lesquelles ils sont stockés, il y a quand même des risques. Mais les gens préfèrent prendre ces risques que de perdre euh, en tout cas 200 francs de, de différence. Il y a au moins 200, 200 ou 300 francs de différence entre le litre, le litre euh, à la station et le litre euh, sur le marché noir. Donc moi je pense que euh, ce n'est pas un grand risque, c'est les injecteurs qui vont avoir des problèmes. Souvent c'est comment on appelle ça, les pompes à essence qui ne coûtent même pas, qui ne coûtent pas cher. Si vous voyez, pour un transporteur qui, peut gagner quand même euh, une différence de 150 francs, 300 francs de différence par jour, par litre. Donc, euh, même si vous, vous, vous, bougiez chaque mois votre, vos, injecteurs, ou vous, pouvez économiser, et acheter. Donc, vraiment, la fraude, présentement, là où nous sommes, c'est parce que les gens veulent qu'il y ait fraude. Si réellement le gouvernement veut combattre cette fraude-là, c'est le moment le plus opportun pour combattre parce que c'est l'essence mad in Niger. On ne devrait pas accepter. Selon, selon, selon vous, Gamaké, faut-il réprimer la fraude ou bien laisser euh, les, revendeurs euh, continuer à exercer leurs activités Non, la fraude, quel qu'elle soit, c'est qu'elle elle, n'est pas bonne pour l'économie. On doit réprimer cette fraude. Mais il faut quand même d'abord réfléchir sur le prix parce que nous n'avons pas l'essence avant on, le, on consommait l'essence à 476. Nous avons le carburant, on le, on le consomme à 540. Donc, euh, vous savez, le pouvoir d'achat des Nigériens par jour, et on dit que le litre à 540, gens, je pense que eh, eh, vous-même, vous, avec moi, vous, convenez avec moi que les gens euh, veulent aller, peuvent aller ou bien vont euh, vers la fraude pour, un, peu, un, peu, économiser de l'argent. Lieutenant Omar Hamani, euh, quelles sont les conséquences liées à la vente du carburant fraudulé ou frélaté, comme les gens le disent Ok. Euh, merci de permettre à notre structure que je représente de participer à ce débat. Le groupement national des sapeurs-pompiers Bien sûr. Okay, participer à ce débat de sensibilisation. Euh, les conséquences sont de trois sortes, selon moi. Il y a des conséquences liées au transport. Et euh, lorsqu'il y a transport d'hydrocarbures, généralement, c'est de manière frauduleuse ou ça s'effectue de nuit. Et là, il y a trop de risques. Le risque, euh, bah, comme vous savez, en cas d'accident, l'hydrocarbure, surtout l'essence, qui, <coughs> a une densité euh, qui peut exploser, enfin, qui peut exploser et brûler, par exemple, les victimes qui se trouvent dans le, dans le véhicule. Il y a également la fragilité du contenant. Donc ils sont transportés surtout le plus souvent dans des fûts ou dans des bidons et qui ne sont pas normalisés. Euh, l'autre danger, l'autre risque, c'est lié au stockage. Donc euh, généralement, euh, lorsque ce carburant arrive, ces mêmes revendeurs les stockent dans les habitations, dans les maisons d'habitation. Et là, c'est un risque énorme qu'ils courent, notamment pour eux-mêmes et pour leurs familles. Normalement, selon la réglementation, euh, on a le droit de conserver chez soi 20 litres d'essence ou de gazole. Seulement 20 Seulement 20 litres. Voilà. Donc le dernier risque, c'est lié au, à la distribution ou au dépotage, notamment dans les stations-service. Alors, on va euh, retourner vers euh, le président du Kodaye. Monsieur le président, euh, vous l'avez rappelé, en 2008, dans, les villes, dans la ville de Maradi, il y avait une explosion d'un dépôt d'essence de contrebande qui a fait 250 blessés et 27, dont 27 grèvements. selon vous, est-ce qu'il faut organiser les fraudeurs du de, de dans un cadre formel pour éviter des conséquences fâcheuses Bon, je, ne sais pas ce que vous appelez organiser les fraudeurs, mais on peut bel et bien organiser des jeunes sans emploi pour euh, intervenir légalement dans ce domaine. Aujourd'hui, si le gouvernement décide, il y a des exemples hein, euh, autour de nous. Il peut bel et bien organiser ces jeunes mais pas pour. Expliquez-nous, Monsieur le Président, comment est-ce qu'il faut organiser euh, ces, fraudeurs-là Peut-être, là c'est une proposition, je dis bien peut-être, euh, ils peuvent travailler euh, en collaboration avec des marqueurs, c'est-à-dire des responsables des stations. Ils peuvent aussi travailler avec la SONIDEP, pourquoi pas ils peuvent directement travailler avec la, la parce qu'aujourd'hui, la Soraz aussi euh, effectue des sorties euh, de, quantité, en tout cas de l'ordre de 50%, 50 selon les, informations que nous avons. Bon, c'est une question euh, de décision. Si le gouvernement décide, bien entendu, cela peut se faire. Mais ça va, créer un manque à gagner euh, au niveau de beaucoup de pères de famille qui vont perdre leur euh, activité. Pourquoi Non, pas du tout. Euh, si le commerce est bien organisé, au contraire, au contraire, peut-être que ces jeunes seront encore mieux organisés pour prendre en charge et leur famille et l'économie nationale. Parce que j'ai dit que autour de nous, il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui ont organisé des jeunes. Si vous voulez, je peux nommer. Si vous voulez bien. Allez-y. Le Bénin a organisé ces jeunes. Donc le Niger aussi peut faire de même. Gamaki, est-ce que ces jeunes-là peuvent être organisés dans un cadre formel pour lutter contre la fraude des hydrocarbures Oui, je vous informe déjà qu'ils euh, ont une structure syndicale. Ils sont syndiqués, ils ont un syndicat les syndicats des vendeurs euh, euh, de carburant. Oui, ils sont, ils sont bien, ils ont fait beaucoup de démarches pour que, en tout cas, l'État les aide à organiser, euh, à s'organiser. Donc, jusqu'à présent, ces gens n'ont pas eu gain de cause. Donc, on peut bel et bien les organiser parce que les organiser même va plus avantager l'État et les, nos concitoyens qui sont dans les localités les plus reculés. Il y a des, il des villages ou des, même des départements qui n'ont pas de station de service. Et ils se ravitaillent en carburant. Si ces gens euh, sont organisés, aidés, appuyés, formés, hein, pour vendre du carburant avec, en tout cas, euh, euh, je ne sais pas, euh, les trucs des stations comme les, stations Oryx là. Mais ça peut, les dépôts, des petits dépôts, mais ça peut bel et bien sécuriser la population, ceux qui font cette activité, et ça peut aider l'État parce que quand ils sont désorganisés, quand ils font cette fraude, c'est des fuites de capitaux. C'est des fuites de capitaux, on peut bien s'arranger. Parce que le Niger est vaste. Nous avons aujourd'hui 366 communes. 366 communes, c'est pas dans 366 qu'on a toutes des stations. Tôt. 266, ok, 266 communes que nous avons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas dans toutes les 266 stations, euh, euh, communes que nous avons des stations. Vous avez même ici au Niger, souvent, euh, quand les gens vont à mission, mission gouvernementale, souvent, ils monnaient les, les, les bons d'essence qu'on leur donne. Parce que là où ils vont, il n'y a pas de station-service. Ils sont obligés de monnayer avec ceux-là. Ils sont, en train, ils sont obligés de monnayer pour, parce que là où ils vont, ils ne vont pas trouver des stations-service. Ils sont obligés de traiter avec ce qu'on appelle fraudeurs. Donc, les organiser va plus avantager l'État du Niger queux eux-mêmes qui font cette activité. Euh, ok, rapidement, rapidement. Le, le, le la parole. Je voudrais juste définir ce que j'entends par organiser ou réorganiser ces jeunes qui interviennent dans cette filière. Euh, allez-y. C'est par exemple d'amener les structures reconnues à leur fournir le produit. Les stations d'essence, les, institutions comme la, la Sundep et la Suarez, extra, extra. Mais l'obstacle, c'est le prix tout tourne autour du prix. Si aujourd'hui cette fraude persiste dans notre pays, c'est parce que lorsqu'on fait une petite comparaison entre les hydrocarbures que nous achetons au niveau des stations et les hydrocarbures que nous achetons en dehors, il y a une différence, c'est-à-dire il y a un écart. Le lieutenant Omar Hamani, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la reconversion euh, de, ces fraudeurs euh, Rapidement. Au fait, euh, il y a deux sortes de ventes reconnues. Il y a la vente au niveau des stations-service et également la vente euh, qui se fait dans la rue. Euh, seulement, le, danger, c'est de pour, éviter qu'il y ait réduire les risques. C'est ah, justement que ces vendeurs soient organisés, soient formés, comme il l'a dit, en matière de sécurité incendie, pour qu'ils puissent euh, pouvoir stocker les conditions, qui respectent les conditions de stockage et les conditions de distribution. Restez avec nous sur le studio Kalangou, notre débat continue dans un instant. La deuxième partie de ce forum traite de la prolifération des stations d'essence à Niamey. On va euh, commencer avec euh, mon lieutenant, lieutenant Omar Hamani du groupement euh, national des sapeurs-pompiers. Quelles sont les conditions à remplir pour la création ou bien la construction d'une station d'essence Les stations-service sont ce qu'on appelle des installations classées qui sont soumise à une réglementation. Et il y a une commission des hydrocarbures qui est mise euh, en place et il y a un certain nombre de structures, notamment les sapeurs-pompiers. Nous, on intervient dans le cadre de la sécurité incendie. Donc, c'est ce volet qui nous concerne. Euh, par rapport à la station, il y a un euh, certain nombre de mesures qu'il faut prendre, notamment séparer la station euh, d'un mur de séparation de 2 mètres par exemple et coupe-feu 2 heures, c'est-à-dire qu'il peut résister au feu pendant au moins 2 heures, minimum 2 heures, en attendant l'arrivée des secours. Et vous voyez, 2 heures sont suffisantes, euh, sont suffisantes pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir. Ça, c'est euh, la première des choses. Donc, c'est prendre des mesures par rapport aux tierces notamment les immeubles d'habitation. Euh, le deuxième point, c'est euh, un certain nombre de moyens de sécurité qu'il faut mettre en place, notamment les extincteurs, euh, le bac à sable avec sa perle de projection et la formation des, pompistes. Mon lieutenant Omar Hamani, est-ce que toutes, toutes ces procédures-là sont respectées ici à Niamey euh, bon, bien sûr, vous savez, <laughs> il y a toujours euh, des problèmes par rapport à, au respect des lois ou bien de la réglementation. Mais quand même, un certain nombre de, stations de euh, service respectent ces normes. en cas de non-respect de toutes ces procédures, quels sont les risques qu'encourent les contrevenants ah, Là, je, laisserai <laughs> la, la police ou bien répondre. Mais tout ce que je sais, les risques, si les, ces prescriptions ne sont pas respectées, effectivement, il, peut y avoir le risque. Il y, a, toujours des risques, parce que vous savez, les hydrocarbures, qui sont des composants, euh, euh, composés essentiellement d'hydrogène et de carbone, sont très volatiles. Ce n'est pas en tant que tel les hydrocarbures qui brûlent, mais c'est les vapeurs qu'ils émettent. Et certains hydrocarbures plus légers, notamment l'essence, qui commencent à émettre des vapeurs à partir de moins de 55 degrés. Déjà à 0 degré, l'essence commence à émettre des vapeurs. Et vous voyez la différence, par exemple, entre euh, véhicules à essence et véhicules diesel. À 0 degré déjà, vous pouvez démarrer votre véhicule à essence sans problème. Alors que euh, avec le gazole, il y a un système de préchauffage. Donc, euh, 55, 50 à 55 degrés. On va retourner vers euh, Alhaji euh, Mustafa euh, Kadi. Alhaji, en tant qu'acteur de la société civile nigérienne, est-ce que vous avez l'habitude de dénoncer des cas de construction des stations-service qui vous paraît un peu plus inquiétant Non. à ma connaissance, notre organisation, en tout cas à date, n'a pas eu à dénoncer une construction quelconque, parce que deux stations euh, sont face à face ou parce que deux stations sont à moins de 100 mètres. Pourquoi C'est parce que c'est pas dans votre pas votre domaine de prédilection Vous savez, c'est un sujet très complexe. Notre organisation lutte pour l'accès à l'énergie. Ah. Donc, l'accessibilité est une facilité pour les consommateurs. Bien entendu, les consommateurs n'ignorent pas les dangers. Mais selon les infos que nous avons, toutes ces stations qui sont autorisées, euh, leurs dossiers ont été examinés en comité. Donc, si le comité donne son avis de non-objection par rapport à la construction d'une station. Quelles qu'en soient les conditions Quelles qu'en soient les conditions, nous pensons que certainement des mesures ont été prises. Parce que, quoi qu'on dise, une station d'essence, c'est toujours un danger public. Nous avons vu des stations d'essence euh, construites euh, dans les marchés. Au bord de, à, côte, à côte, à contigu à certaines habitations. Oui, tout à fait. Lorsque les, mesures sont prises, on peut bel et bien autoriser. Mais je précise bien, des mesures doivent être prises et des mesures idoines. Et là, comme nous avons sur euh, le plateau un des représentants des services euh, incendie, il peut nous édifier dans ce sens. Exactement, je le vois lever la main. Certainement, il a quelque chose à ajouter. Euh, mon euh, lieutenant Oui, euh, en réalité, la création d'une station ne constitue pas en elle-même un danger. parce que c'est un dépôt en plein air et enterré. Donc, le danger réside euh, pendant euh, le dépotage ou la distribution. Vous avez des cuvettes où sont retenus, euh, sont stockés les hydrocarbures. Ils sont enterrés et il y a un certain nombre de des règles qu'il faut respecter quant à leur stockage. Lorsque un véhicule, notamment une citerne arrive, pour décharger l'hydrocarbure. Donc, il y a un certain nombre de mesures, notamment le système de masse. Ça veut dire quoi le système de masse le véhicule arrive surchargé, les charges électriques. Donc, lorsqu'on euh, met ce système de masse-là, ça réduit le risque. C'est pour ça même on demande aux, aux usagers lorsque vous arrivez à, euh, dans une station-service, essayez de poser votre main au moins sur le véhicule pour décharger. <laughs> Ah, ça c'est une nouvelle information. <laughs> Oui, bien, sûr, bien sûr. Allez-y. Euh, euh, voilà. Donc, au niveau de la distribution aussi. Rapidement. oui, au niveau de la distribution, il suffit juste en cas de danger, qu'est-ce qu'il faut euh, euh, qu'il ne faut pas faire Le fait de fumer ou bien le fait d'utiliser des briquets, etc. C'est ça qui peut constituer un risque. Mm-hmm. Voilà. C'est tous les risques que, comportent... Euh, les risques sont surtout liés au dépotage et à la distribution. Gamache, on va vers vous. Gamache Mamadou Yansambou, qui représente euh, le syndicat national des conducteurs du taxi, Cinco Taxi. Euh, la prolifération des stations en service à Niamey, est-ce une bonne ou une mauvaise chose C'est les deux à la fois, hein, moi je pense. Euh, par rapport à, en tout cas, à la sécurité, là, une fois, je me souviens, par rapport à la question que vous avez posée, Kamara Mustafa, le ministre du pétrole a été interpellé une fois par rapport à la prolifération et à la distance qu'il faut mettre entre les stations. En tout cas, toutes les normes qu'on doit respecter, si vous l'avez suivi à l'Assemblée. Donc, euh, <clears throat> euh, moi, je pense que si tout est respecté, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est là, c'est que c'est le respect, respect de ces textes qui pose toujours problème. Parce que, à votre avis, les textes ne sont pas respectés Non. Vous avez posé une question. Euh, à savoir si est-ce que le Kodaï a une fois dénoncé eh, les cas euh, de la profilation Ils n'ont pas fait ça, mais je, me souviens une fois, les populations des quartiers de Banifandou se sont opposées à la construction d'une deuxième station qui devrait être en face d'une autre ou sur le goudron seulement qui les séparait. Et ils ont eu gain de cause. Et c'est en ce moment que le ministre lui-même a été interpellé au niveau de l'Assemblée où il a dit que toutes les normes sont respectées. Mais on sait que ce que nous sommes en train de voir, de la manière où euh, les gens sont en train de construire euh, les stations, moi, je suis un profane, mais la rapidité avec laquelle les gens sont en train de construire ces stations, je ne pense pas si toutes les normes sont respectées. Parce qu'il y a des stations, pour ne pas faire de la publicité, si vous voulez, je peux, euh, si vous m'autorisez, je vais vous dire, il y a des stations, quand ils construisent, vous voyez que ça prend du temps. Et il y a beaucoup de choses qu'ils font, que souvent on se demande, est-ce que c'est parce qu'elles sont des, stations ou bien des, des, marketeurs ou bien des, trucs étrangers qui sont en train de respecter. Moi, je parle de Total. J'ai vu plusieurs stations que Total a construites mais les, normes et les dispositions. Faut pas, faut pas, de la, publicité. Non, c'est pour vous dire. Mais je vois des compatriotes qui, en deux ou trois semaines, ont fini de, construire une station. Et entre deux habitations, vous allez voir, les gens vont venir, ils vont casser, ils vont faire du chap-chap. Tout est fini. Et euh, euh, une semaine, deux semaines après, on va commencer à vendre. Donc vraiment, c'est là le problème. Si tout est respecté, comme vous l'avez, comme l'a dit le spécialiste, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Mais c'est le respect. Au Niger, c'est ça. Les gens ne respectent pas les lois, les gens ne respectent pas les conditions, les rien. C'est quand il y a problème, quand il y a problème, après que les gens vont commencer à prendre des dispositions. Alors que les stations services c'est quand même euh, des grands euh, cuves qui sont là enterrés souvent même je ne sais pas aussi ils respectent la profondeur Est-ce qu'il y, y, a des normes au niveau de la profondeur parce que <laughs> souvent je vois les gens creusent jusqu'en bas il y en a qui, vraiment si vraiment il y a des normes par rapport à, la profondeur vraiment, moi je pense qu'il faut, il faut que euh, le, la distance entre deux stations. Le spécialiste l'a expliqué. spécialiste, non, la, distance, entre deux stations. Parce que souvent vous allez voir des stations qui sont à moins de, à moins de 2 kilomètres entre deux stations. Et la profondeur, c'est ça. en quoi est-ce que la prolifération est une bonne chose euh? Non, euh, l'accessibilité au carburant, à l'énergie, c'est ça qui est très important. Mais il ne faut pas que, <laughs> parce qu'on veut que ça soit accessible, qu'on nous crée encore d'autres dangers, d'autres, d'autres, d'autres, d'autres. De toute façon, si on a l'énergie, on a des trucs euh, accessibles facilement. Donc, c'est des bonnes choses. Mais le respect aussi, vraiment, il faut euh, euh, le, lieutenant Omar, euh, Omar, Hamani, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux inquiétudes de, de, Rapidement Rapidement, juste en 30 secondes. sont je sais pas. Oui, tout à l'heure, le premier intervenant parlait <coughs> d'une commission des hydrocarbures. Donc le dossier doit passer devant cette commission là pour vérifier la conformité de, de la création de cette station. Donc, on estime que lorsque la commission donne son accord, ça veut dire que toutes les mesures sont respectées. Merci, monsieur, On se retrouve dans un instant. La troisième et dernière partie de ce forum est consacrée aux solutions à envisager. Alhaji Mustafa Kadi, euh, vous êtes le président du Kodaye. Selon vous, euh, que faire dans l'immédiat pour y remédier bon, Je crois que dans l'immédiat, on doit plutôt encourager les services euh, des douanes pour renforcer le contrôle. Nécessairement, il faut aller dans ce sens, aller dans cette direction. Ensuite, sanctionner ceux qui ne respectent pas les, règles. C'est vrai, c'est douloureux. Mais il faut aller vers la sanction. Mais on ne peut pas sanctionner, pour ma part, hein, tant que les populations n'ont pas été sensibilisées. Parce que la loi à elle seule ne règle pas les problèmes. Il faut aller vers les populations, les sensibiliser sur les dangers des hydrocarbures. Même pas sur les hydrocarbures fraudés, en général. Que les Nigériens comprennent la dangerosité de ces hydrocarbures. Et à long terme À long terme, je crois qu'on a déjà euh, soulevé rapidement euh, l'aspect, c'est-à-dire il faut réorganiser les jeunes, il faut les transformer euh, pour qu'ils interviennent formellement et qu'ils quittent l'informel. Lieutenant Omar Hamani, que faut-il faire pour y remédier par rapport à, à ce phénomène Bon, cette vente, on ne peut pas l'interdire parce qu'il y a des, certaines zones où il n'y a pas d'électricité, donc il ne peut pas implanter une station-service. Il y, a, dépôts qui sont autorisés. Il y a des dépôts qui sont autorisés, effectivement, mais ces dépôts aussi, eh, ces vendeurs doivent être accompagnés. Euh, Mon lieutenant, une dernière question. Est-ce que vous avez la capacité d'intervenir en cas d'incendie au niveau de ces stations Oui, nous, pour euh, un feu de station, c'est ce qu'on appelle risque courant, comme euh, un feu de chambre ou tout autre. Et ceux qui vendent à, la sauvette euh, sur le bord du goudron Sur le bord du goudron, en général, ils n'ont que 2-3 bidons. Mais le danger réside surtout sur le transport et le stockage. Le stockage dans leur maison, qu'ils sachent qu'ils peuvent tout perdre quand il y a un incendie. Donc il faut qu'ils séparent euh, cet hydrocarbure de leur euh, immeubles d'habitation. Gamache Yansambou, euh, Mahamadou, que faut-il faire pour y remédier euh, à court, moyen et long terme Rapidement. À terme, il faut réduire les prix du carburant. Il faut les réduire significativement. De deux, il faut combattre la fraude. Il faut que le gouvernement se donne le moins de combattre la fraude. Réduire, Cette fraude formalisée. à, combien selon vous Mais un peu raisonnable pourquoi pas à 350 ou à 400 francs, et mettre un dispositif, sensibiliser les gens et mettre un dispositif qui, va réprimer tous ceux qui vont à l'encontre de, la volonté du gouvernement par rapport à cette fraude. Organiser ceux qui font cette activité-là, les organiser, et les former en sécurité, en tout, tout, tout, pour leur donner encore les moyens, les appuyer pour qu'eux-mêmes desservent les autres localités où les gens n'ont pas accès facilement aux, hydrocarbures. En multipliant les dépôts, parce qu'aujourd'hui, la SONIDEP n'a pas plusieurs dépôts. Il n'y a que le dépôt de Niamey, Agadez, euh, euh, Tawa Dosso. Euh, ils, sont en train, de, sont chantier, en chantier Tawa. Donc, toutes les localités n'ont pas de dépôts. Même si ces gens sont organisés, il va falloir d'abord faire des dépôts partout pour qu'il aille s'approvisionner en, carburant. Euh, euh, monsieur le Président, rapidement, pour clôturer, il faut clôturer. Très rapidement, en fait, on a un sérieux problème. Aujourd'hui, même si le gouvernement venait à réduire le prix à la pompe, nous avons des localités où et la SUNDEP et la Soraz, peut-être même autres marqueurs, n'ont pas la possibilité d'acheminer les produits. Et donc c'est pourquoi c'est une, une, réflexion euh, généralisée qu'on doit faire dans ce domaine et impliquer les acteurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Alhaji euh, Mustafa Kadi, président du collectif des organisations pour la défense du droit à l'énergie Kodaye. Nous étions également avec euh, lieutenant Oumar Hamani du groupement national des sapeurs-pompiers et de monsieur Gamake Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, le Ben Seco Taxi. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou prochain rendez-vous demain, mardi 21 mars, même heure, même fréquence. Vous seriez en compagnie d'Alassane Kouzi Mamadou pour discuter de notre thème. Merci et au revoir.